Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes disponibles également sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou s'intéresse à l'évolution de la campagne agricole 2018 au Niger, répartition des pluies, résultats espérés, zones touchées par les ennemis des cultures. Pour développer ce sujet, nous avons dans ce studio Ide Yakuba, directeur de la promotion des filières végétales et de la qualité à la direction générale de l'agriculture au ministère de l'agriculture et de l'élevage. Ide Yakuba, bonsoir. Bonsoir. Abdoubawa Ibrahim, directeur des interventions phytosanitaires et de la formation à la direction de la protection des végétaux. Abdoubawa Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Et Nazirou Touné de la direction de la météorologie nationale. Nazirou Touné, bonsoir. Bonsoir. La situation des cultures révèle que sur les 12 464 villages agricoles suivis, 12 328 villages ont effectué des semis à la date du 30 juillet, soit à 99%. Les 136 villages n'ayant pas encore effectué ou perdu les semis sont répartis comme suit. Région d'Agadez, 113 villages. Région de Difa, 15 villages. 4 villages de Tassara dans la région de Tawa et 4 village à Belbéji, région de Zander, précise le site web Niger Diaspora dans sa publication du 10 août. La situation hydrologique est dominée par des écoulements importants dans l'ensemble du pays suite aux fortes précipitations enregistrées dans la majeure partie du pays, notamment le fleuve Niger et de ses affluents de la rive droite qui sont le Gorwol, le Dargol et la Sirba. Ide Yakuba de la Direction générale de l'agriculture. Que peut-on retenir de l'évolution de la campagne agricole 2018 au Niger Comme vous l'avez dit, effectivement, à la date indiquée dans Niger, la diaspora ou quoi Le 10 août, oui. Le 10 août, c'était une réalité, mais cette réalité a évolué. C'est essentiellement la zone de Difa du fait de l'insécurité que les 15 ou 17 villages-là n'ont pas semé. Mais toujours est-il que les 100, la centaine de villages pas, enfin, qui ont semé après ce, cette période-là sont dans une situation assez difficile parce qu'il y a beaucoup de ces villages qui sont au stade soit de talage ou début montaison. Alors, euh, vous conviendrez avec moi que à quelques semaine de la fin de, de la campagne agricole. En tout cas, ça serait difficile que ces villages-là puissent boucler leur cycle. Mais bon an, nous pensons que la situation, la campagne agricole 2018 augure des productions assez, assez bonnes. Pas très bonnes, mais assez bonnes. Mais il ne faut pas oublier que nous sortons d'une période déficitaire de 2017. Donc il y a beaucoup de producteurs qui ont déjà consommé par sous le mécanisme de, crédit qu'ils ont eu à prendre, soit au niveau des grands commerçants, soit en tout cas de certaines personnes, où ils sont obligés de rembourser ce crédit-là. Donc euh, leur situation serait encore un peu difficile. a cette tendance a porté l'espoir d'une meilleure campagne agricole 2018 comparativement à l'an dernier non, la campagne 2018 serait meilleure, euh, en tout cas du point de vue caractéristique que nous avons observé. Mais je pense qu'il faut attendre euh, l'évaluation de cette campagne. Parce que d'ores et déjà, je pense que notre collègue de la protection des végétaux va en parler. Il y a des, infestations euh, de mineuses d'épices dans plusieurs zones, des sauteriaux je pense qu'il va s'étendre plus que là-dessus. Donc, il y a des phénomènes, effectivement, qui vont intervenir pour réduire notre espoir. Il faut aussi souligner que le niveau des dernières précipitations, en tout cas dans certaines zones, quand on prend le cas de Niamey, de la région de Niamey, ce n'est pas suffisant parce que certaines cultures ont atteint un certain stress ou ça va impacter sur le rendement. Ça, ça c'est sûr. Idi au stade actuel de l'évolution des cultures, quelles sont les recommandations particulières ou conseils à l'endroit des agriculteurs pour un meilleur rendement Je pense qu'ici, la dernière fois, nous avons dit que les producteurs doivent être prêts à, euh, signaler la présence de prédateurs ou bien en tout cas d'ennemis de, culture dès leur apparition. Il ne faut pas qu'ils attendent à un niveau, une, situation assez critique pour venir vers les services agricoles ça, il le faut. Et la mineuse de l'épi aussi, c'est une situation assez critique parce que, je ne sais pas, peut-être notre collègue va en parler. Il y a des méthodes de lutte biologique qui existent, mais est-ce qu'il y a une quantité importante pour pouvoir euh, le problème Parce que quand vous prenez le cas de la commune de Bandé, la commune de, de l'ancien Matame, Cantier, de quelques communes de Cantier, Bon, là, il y a eu des lâchers, mais je pense que la situation, en tout cas, n'est pas très, très satisfaisante. Parce que les effets de la mineuse, surtout quand il on a observé des périodes de sécheresse, en tout cas, c'est très sévère sur certaines zones. Abdoubawa Ibrahim de la direction de la protection des végétaux, que faut-il relever de significatif au sujet de la situation phytosanitaire Merci euh, de nous avoir une fois de plus donné l'occasion de communiquer et de passer des messages, n'est-ce pas, à l'endroit du public, surtout du public du groupe cible, qui est pour nous les producteurs agricoles. Alors, ce qu'il y a de significatif sur le plan parasitaire, à l'heure actuelle, ou du moins à la date du 10 septembre 2018, nous avons relevé six principaux ravageurs qui ont sévi sur les cultures à l'intérieur du pays, à savoir les otoriaux, les insectes floricoles, euh, les cicadelles, la chenille mineuse de l'épi, les insectes des légumineuses, notamment l'arachide et le nibé, et les oiseaux granivores. Ces infestations, ils sont disparates et hétérogènes. Donc, euh, les, mêmes ennemis peuvent être retrouvés dans les mêmes régions, tout comme on peut trouver plusieurs ennemis dans une même région. Donc voilà un peu comment se caractérisent ces infestations sur le plan eh, national. Maintenant, eh, il y a certains des prédateurs qui sont beaucoup plus voraces que d'autres, n'est-ce pas, et qui sont plus présents que d'autres en fonction de la région. C'est ainsi que, euh, à la date d'aujourd'hui, les ravageurs les plus redoutables qui sévissent sur les cultures sont essentiellement euh, les sauteriaux, les insectes floricoles et la chenille mineuse de l'épi dans la bande sud agricole du pays. Donc voilà un peu schématiquement euh, sur quoi on, assiste aujourd'hui. Bawa Ibrahim, au jour d'aujourd'hui, est-ce que la situation est sous contrôle Je dirais que la situation est effectivement sous contrôle aujourd'hui, malgré quelques soubresauts qui nous parviennent euh, de certains horizons. Cela est tout à fait euh, normal quand, euh, en tout cas, le paysan voit des ravageurs à l'intérieur de son champ, alors que ce champ-là est presque prêt à être récolté c'est normal euh, qu'il y ait une réaction, en tout cas que nous nous comprenions de notre côté. Mais l'un dans l'autre, je dirais que la situation est sous contrôle. Parce que même les zones euh, dans lesquelles où euh, la, pression parasitaire est importante, on assiste à un stade de développement qui est en tout cas à la maturation récolte. Donc les endroits où par, par exemple on a des attaques de sauteriaux sur la culture de mille ou de sorgho qui est presque prête à être récoltée, on ne fait que recommander aux paysans de récolter presque précocement leur culture. Ou il y a des endroits où c'est même automatique. D'eux-mêmes, ils ont l'instinct, ils ont l'instinct de récolter sans pour autant attendre, en tout cas, le conseil de l'encadreur. Par contre, au niveau des autres zones où les cultures sont encore à un stade moins avancé, je dirais par exemple montaison, nouaison, début floraison, pour les, graminées. Nous sommes en train de renforcer les capacités des régions par rapport aux pesticides là où ça manque. C'est notamment la région de Difa où c'est seulement hier que, en tout cas, nous avions été avertis de l'épuisement de leur stock en pesticides alors qu'ils ont des infestations des insectes floricoles et des sauteriaux. Nous avons en tout cas instruit à ce que la région de Difa vienne et s'approvisionner en pesticides au niveau du stock de Zender, parce que Zender est très proche. Donc, s'il faut les ravitailler à partir de Niamey, ça va prendre 3-4 jours, alors qu'ils peuvent venir à Zender le même jour et le lendemain repartir retourner, et le lendemain retourner avec leur quantité de pesticides et poursuivre les traitements. Donc, à l'heure où je vous parle, les collègues de DIFA sont en route pour Zender pour venir, en tout cas, se ravitailler en pesticides et retourner continuer leur travail. Et maintenant, le pesticide, euh, en tout cas le, gap qui serait euh, observé à partir de Zender, on va le combler parce qu'au niveau de Zender, il n'y a pas cette urgence qu'on vit actuellement à Difa. Et euh, ils peuvent même être ravitaillés à partir d'Agadez parce qu'on a un stock important de produits qui est basé à Agadez pour la lutte contre le, criquet pèlerin. C'est des pesticides qui appartiennent au centre anti-acridien, mais c'est le même ministère et nous visons et les mêmes C'est ce que nous appelons le système de triangulation. Les pesticides, c'est pour l'État. Quand nous les plaçons à l'intérieur du pays, dans une région, ça ne veut pas dire que ça appartient à la région. Donc si une autre région en a besoin, nous sommes obligés de venir prendre dans une région voisine pour ravitailler l'autre et, et, poursuivre le travail. Ajouté à cela, on a encore une quantité d'environ 10 000 litres au niveau du magasin central de Niamey qu'on peut toujours appuyer. Donc les, euh, produits phytosanitaires sont disponibles Jusqu'à preuve du contraire, on a de quoi intervenir, on a de quoi faire face, n'est-ce pas, aux attaques qui se visent à l'intérieur du pays. Abdoubaou Ibrahim, que dit le dernier point sur les attaques enregistrées des ennemis de culture, les zones les plus touchées surtout Les zones les plus touchées, euh, comme je l'ai dit, c'est surtout la pression des Sotorio au niveau de Kabalewa, Geskeru et Chetmari dans la région de Difa. Donc pour les premiers cantons, déjà les gens, ils ont amorcé la récolte. Donc là, nous, on, a recommandé aux gens de ne même pas intervenir. Maintenant, c'est au niveau de la commune de Chette-Marie où on va renforcer les stocks en produits et ils vont poursuivre les traitements avec les appareils autoportés et les appareils, et les appareils manuels. Et ajouter à cela aussi un peu euh, euh, dans la région de Maradi, toujours les sauturiers au niveau du département de Dakoro, notamment dans la commune. Donc c'est dans le canton de Korneka où on a en tout cas près de 3000 hectares qui sont infestés. Là aussi, la semaine passée, le, camion les a renforcés en pesticides et appareils de traitement pour poursuivre le traitement. Et à l'heure où je vous parle, la situation est, est sous contrôle. L'autre déprédateur non moins important, le collègue euh, de la DGA l'a évoqué, c'est la chenille mineuse de l'épi. Alors, cette chenille mineuse de l'épi, elle s'étend dans toute la bande sud du pays, donc dans toutes les régions, sauf la région d'Agadez. Alors, euh, pour ceux qui ont pu avoir la production du parasitoïde naturel de cette chenille-là, parce qu'il y a un ennemi naturel qu'on utilise pour lutter cette, euh, cette chenille, donc il y a eu des productions de masse qui ont eu, euh, qu'ils ont obtenu à partir des organisations paysannes qui ont été formées. Donc ceux qui ont fait des lâchers très tôt, actuellement, ils sont en train d'observer, de, d'enregistrer des résultats très satisfaisants. nous avons en tout cas des collègues de la, de la direction de la protection des végétaux qui sont actuellement à l'intérieur du pays, notamment au niveau de la région de Maradi, Sender et Tawa, pour un peu suivre et voir l'évolution de euh, ces lâchers-là, les résultats escomptés que ça donne. Et selon les échos qui nous sont parvenus dans, le, bulletin de Kader, en tout cas, grosso modo, on peut dire que la situation est, satisfaisante par rapport aux résultats issus des lâchers de l'ennemi naturel de la chenille Nazirou Touné de la direction de la météorologie nationale, comment les pluies sont-elles réparties sur le territoire nigérien Merci bien, je me rejoins à mes collègues donc, euh, pour euh, vous remercier et pour cette occasion offerte pour pouvoir euh, nous exprimer sur l'évolution de la campagne agricole 2018. Donc euh, avant de parler de la répartition de la pluviométrie, donc euh, étant donné que tous les deux secteurs d'ailleurs dépendent d'ailleurs de, la pluie tombée. Donc avant même le démarrage de la campagne, la direction de la météorologie nationale donc, élabore ce qu'on appelle des prévisions saisonnières. Donc c'est un outil vraiment puissant d'aide à la décision donc ce sont des informations qui sont élaborées avec euh, d'autres experts de la sous-région. Effectivement, la pluie, est, euh, comme nous l'avons prévu, et le démarrage euh, était normal. Donc effectivement, c'est ce que l'observation a montré puisque les pluies ont commencé depuis le début du mois de juin. C'est vrai, le, le débit n'est pas le même partout mais grosso modo, et la pluie a commencé timidement depuis le début du mois de juin et a continué à se renforcer au fur et à mesure que le flux d'air humide donc, euh, pénètre le pays. Donc, je dois souligner également que le front intertropical actuellement, il est au nord à Gadez, sud de Belma. Donc, c'est la ligne qui sépare les deux masses d'air, c'est-à-dire la masse d'air humide et la partie sec qui nous vient du Sahara. Donc, euh, à l'heure actuelle, ce front intertropical a déjà amorcé donc sa descente vers le sud. Donc la descente euh, s'est faite petit à petit. Donc déjà, Bilma est rentrée dans la zone euh, du flux d'air sec. Pour le mois de juillet, donc c'est un mois qui a été plutôt pluvieux, surtout au niveau de la deuxième décade, parce que la première et la troisième décade, à l'échelle nationale, il y a le département de Tawa et Maradi qui a reçu moins de pluie dans ces deux décades-là. Donc, euh, contrairement à la région du Dosso, le département de Magaria et le sud de Gouré, ils ont reçu plus de pluie par rapport aux autres dans le mois de juillet. Donc, la situation que nous analysons, c'est jusqu'au 31 août. Donc, le mois d'août aussi, il a été bien arrosé pour la première et la deuxième décade. Donc, euh, il y a beaucoup de localités qui ont reçu assez de pluie, en tout cas dans la zone, euh, la zone agricole, donc la bande sud. Il y a aussi un cas particulier que je dois souligner pour le Damagaram et Difa. Donc cette année, la répartition spatiale a été bonne. Donc euh, c'était bien réparti, la plus spatialement. Et même euh, du point de vue temporel, il y a eu euh, une bonne, répartition, bien qu'il y a eu des disparités pour certaines, pour certaines régions. Donc en termes du, du cumul, cumul pluviométrique, je dois dire qu'on sait très bien que c'est la zone de Gaïa qui est beaucoup plus arrosée ici au Niger. Donc euh, il y a notre poste de Dolé qui a enregistré le maximum de précipitations, le maximum de cumul qui est de 1024 mm à l'heure actuelle. Donc euh, la zone qui reçoit moins de pluie, c'est la zone nord, donc euh, un peu depuis le centre Nguinkimi, donc en passant par Tanout, donc Iferouane, Tiro, Tintabraden. Donc ils ont reçu un cumul métrique qui aussi autour de 150 euh, mm, donc frôlant les 200, 200, mm. Donc euh, pour ce qui est du reste, c'est-à-dire euh, depuis le département de Difa, donc je commence depuis l'est du pays parce que la majorité des systèmes, ils nous viennent de, l'est du pays. Donc Difa, Damagaram, Maradi, donc le sud de la région de Tawa, donc Koni particulièrement, la région de Dosso, donc ils, ont été bien arrosés puisqu'ils ont reçu un cumul qui va de 350 à 500 mm actuellement, donc au 31 août, puisque la pluie n'a pas encore euh, cessé de tomber. Et il y a quelques particularités, c'est-à-dire le poste, euh, et surtout la commune de Torodi, la zone de Tapua, donc vers le parc de W, et le sud de Gaïa, donc qui a reçu des fortes précipitations, qui aussi entre 650 euh, mm et 900, 950 mm. Donc voilà pour ce qui est de la répartition spatiale. Nazir Touné, comparativement aux années antérieures, cette année, la pluviométrie est-elle meilleure que l'an dernier, par exemple euh, La pluviométrie, si on la compare à la moyenne climatologique, c'est-à-dire la normale, les 30 dernières années, puisque c'est avec cette référence-là que nous pouvons dire euh, si la saison est excédentaire ou déficitaire. Donc par rapport à ces 30 dernières années, on s'est rendu compte que la zone de Difa donc, et le Damagaram. Donc cette année, ils ont été excédentaires avec euh, la partie nord, nord et nord-ouest Tilaberi, donc euh, un peu Terra, Terra compris d'Argol. Donc ils ont reçu une précipitation excédentaire. Par contre, les autres zones, Dosso, excepté Douchi, donc euh, et le nord euh, du département de Tawa, donc Tintabraden, vous prenez Gudumaria... Madarumfa, Matamei, Myria. Donc ils ont reçu moins de précipitations. Ça veut dire que ces régions sont déficitaires Ça ne veut pas dire qu'ils sont déficitaires parce que là, c'est une comparaison. Dès que la pluie est bien répartie à l'échelle temporelle, donc euh, même si le cumul n'atteint pas euh, celui de, de, la normale ou bien de l'année passée, donc euh, les, les, cultures peuvent avoir un bon développement. Donc il y a les collègues qui peuvent le confirmer. Donc ce euh, c'est pas vraiment cette comparaison qui fait dire que la zone est dans une situation déficitaire. Ide Yakuba, de la Direction générale de l'agriculture, quelle est la situation des aménagements hydro-agricoles La situation des aménagements hydro-agricoles, en tout cas cette année, nous n'avons pas encore connu des perturbations majeures. Au niveau de, en tout de la, des régions de Tilaveri, Niamey, Dosso, pour euh, le cas de DIFA, il y a une partie qui est sous la pression de l'insécurité. Sinon, les activités sont correctement conduites et il y a des interventions pour euh, la réfection ou la confortation des digues de protection. Donc ça, c'est au nom de, ça a été entamé avant même l'installation de la campagne. Et il y a des brigades qui sont là aux aguets pour euh, parer à d'éventuelles crues euh, du fleuve Niger. Sinon, je pense qu'en tout cas, à l'heure actuelle, on n'avait pas une connaissance d'un dommage causé par euh, la crue du fleuve. Donc, euh, peut-on espérer une meilleure campagne risicole Non, ce n'est c'est pas lié la bonne production n'est pas égale à, l'eau qui est disponible, ou bien le, le fait qu'il y a un certain nombre de paramètres qui conditionnent la bonne production. Je pense que si ils observent les itinéraires techniques avec des bonnes semences, et le respect des calendriers culturels, je pense qu'on peut espérer produire suffisamment. Euh, je disais les itinéraires techniques parce que les sols euh, des aménagements agricoles qui ont été exploités pendant 15, 20 ans, 30 ans, sans repos. Il va de soi qu'il faut les renforcer euh, par la matière organique, mais malheureusement, le plus souvent, vous avez constaté des phénomènes où on ramasse toute la paille de riz et on ne ramène pas les issues, les, les sous-produits issus de, euh, de l'élevage. Si c'est le fumier, quand on amène la paille, euh, on doit ramener au moins du fumier dans les parcelles, mais cette situation n'est pas chose. Et l'engrais aussi n'est pas toujours accessible à certaines catégories de personnes. Malgré que l'État subventionne à 50%, le sac est à 13 500. Et je pense que cette situation peut freiner un bon rendement ou une très bonne production. Abdoubawa Ibrahim, quelles sont les zones du pays où les récoltes sont ou seraient compromises à cause des ennemis des cultures Compromises peut-être, c'est trop dire, mais peut-être on peut relever quelques zones, quelques zones je dis bien, où on peut avoir euh, une baisse de rendement, notamment ces zones-là où euh, les paysans ont alerté tardivement et que euh, ce retard a permis en tout cas aux ravageurs de jouer de manière euh, d'impacter négativement sur, les cultures. C'est notamment dans la région de, Difa où, comme je l'avais dit tantôt, au niveau de, de la zone de Kabalewa et Geskerou, euh, fort heureusement, euh, les gens ont commencé à récolter. Là, je pense qu'on assisterait à une, baisse de, la production comparativement à, la normale. Il faut peut-être euh, ajouter à cela un peu la zone de Kornaka dans le département de Dakoro. Là aussi, on avait eu une forte pression de Soturio. Heureusement que les services régionaux ont intervenu de manière prompte. Mais sinon, de manière globale, je pense qu'on ne peut pas parler d'une compromission de la production. Nazir Touné, comment euh, les services euh, de la météorologie contribuent-ils euh, en termes de conseils aux paysans et autres producteurs La météorologie intervient en termes de conseils à travers des les séminaires itinérants, donc pratiquement chaque année avec l'appui de, de, nos partenaires. On organise ce qu'on appelle des des séminaires pour aller discuter directement avec l'utilisateur final de l'information. Et ces communications, nous les faisons en langue, donc euh, pour qu'ils comprennent effectivement de quoi il s'agit. Donc on leur explique euh, d'abord euh, c'est quoi le, le climat, c'est quoi le temps, c'est quoi le changement climatique et quelle est l'interaction qui existe entre la météo donc, et leur pratique culturelle. Donc c'est une question de, plutôt de sensibilisation pour qu'ils y prennent conscience et qu'ils euh, qu appliquent les méthodes euh, et les conseils qu'on leur diffuse. Donc euh, la météo également, elle contribue à travers des bulletins qu'elle élabore chaque année, des bulletins d'aide à, à la décision, surtout par rapport à la situation de semis. Donc, euh, quand est-ce qu'il faut semer, C'est une euh, situation stratégique. Donc, euh, le, paysan, il est là avec, avec son mil, son sorgho, sa culture en tout cas. Il ne sait pas à quel moment est-ce qu'il faut, est qu'il faut faire le semis. Donc, la météo oriente ces gens-là à une date propice pour le semis pour éviter des éventuels échecs. Nazir retourné de la direction de la météorologie nationale. Les prévisions météo sont diffusées seulement en français, une langue incomprise par les paysans. Euh, que faites-vous pour que votre message passe Je suis, tout à fait d'accord avec vous parce que ça fait, ça fait longtemps que la météo travaille d'arrache-pied pour euh, élaborer des prévisions destinées aux usagers. Or, la majorité de, ces utilisateurs d'information. Ils ne comprennent pas le langage technique souvent, surtout qui, qui revient dans, dans nos messages. Donc, euh, ces derniers temps, nous avons fait un effort avec euh, l'arrivée de, de certains, certains collègues qu'on a instruits à élaborer ou bien à expliquer ces bulletins-là en langue. Donc on a commencé en, en Hausa et en germain. Donc ces, ces informations sont diffusées sur des moyens de communication tels que WhatsApp et les mails. Donc euh, voilà en quelque sorte euh, l'initiative qui a été amorcée pour l'instant puisque les autres langues, c'est important aussi de le faire. Donc nous n'avons pas encore euh, des traducteurs, ceux qui peuvent nous traduire ces informations dans les, autres langues. Mais quand même, maintenant en haussa et en Germain, c'est fait à notre niveau. Nazir à quand peut-on espérer la fin probable des précipitations au Niger Au début de mon intervention, tout à l'heure j'avais parlé de, l'outil d'aide la décision qui est la prévision saisonnière. Donc euh, dans les informations qui sont diffusées, il y a le démarrage de la campagne, il y a les pauses pluviométriques et la fin probable de la saison. Donc elle est prévue aussi et communiquée aux utilisateurs pour, le cas de l'année 2018, donc euh, la fin serait plutôt tardive, mais le, seul souci est que il y a des longues pauses pluviométriques qui ont été observées. Donc voilà pourquoi, lorsque mon collègue euh, de, phytosanitaire a, expliqué comme quoi les paysans doivent récolter tout à cause euh, de certaines attaques, donc en fait, ces deux choses sont liées, puisque dès qu'il y a des pauses euh, pluviométriques, il y a automatiquement l'apparition de certains ennemis des cultures. Donc ils vont ensemble. Donc cette année, c'est des longues pauses pluviométriques à la fin, mais elles seraient tardives. Bawa Ibrahim de la direction de la protection des végétaux. Vous avez suivi l'affaire Monsanto, ce géant agrochimique allemand condamné le mois dernier à verser de l'argent à un jardinier atteint d'un cancer en phase terminale suite à l'utilisation des produits de ce fabricant européen. Pensez-vous qu'au Niger, il est possible d'éviter un tel drame euh, Si oui, comment Des drames similaires, euh, je pense que c'est évitable justement notre pays. De un, il y a les mesures réglementaires. Il y a un certain nombre de matières actives qui sont homologuées, donc qui sont autorisées à être utilisées sur le plan national. Par contre, il y a d'autres, s'ils ne sont pas dans la liste des pesticides homologués, donc ils sont prohibés, ils sont interdits. Et par rapport à, au ça c'est euh, vraiment pas une question à l'ordre du jour et dans notre pays s'il s'avère que, tout cas, il y ait des pesticides qui ne sont pas autorisés à être utilisés, en tout cas euh, dans ce pays-là, ça ne peut être que de manière informelle. Mais sinon, sur le circuit normal, normalement, ce genre de produits, nous, ça fait très longtemps qu'on n'en parle plus. Mieux encore, tous les pesticides de, la famille des chlorés sont prohibés d'utilisation dans, même pas au Niger, mais dans tous les pays du CILS. Donc par rapport à cette question, vraiment, il n'y a pas, c'est pas la peine de s'alarmer, n'est-ce pas, au niveau de, de, nos terroirs par rapport à ce problème que vous venez d'évoquer. Abdoubawa Ibrahim, euh, comment éviter ou minimiser les risques de mauvaise manipulation euh, de ces produits toxiques Pour minimiser les risques d'intoxication dus aux produits phytosanitaires, il y a en tout cas plusieurs paramètres. D'abord, il faut utiliser un produit, en tout cas qui est connu, qui est homologué, dont la matière active elle est connue, elle est maîtrisée. Ça, c'est donc des mesures réglementaires. Ensuite, la personne qui utilise le, produit doit se protéger. Donc, en fonction du mode d'utilisation du produit, n'est-ce pas, euh, la personne doit se protéger et porter des équipements de protection individuelle adéquats. Ça, c'est de deux. De trois, il faudrait bien que tous les paramètres d'utilisation soient respectés. Je fais allusion à le respect de la dose utilisée à l'hectare. Je fais euh, allusion au respect de la concentration qu'il faudra calculer avant l'utilisation. Je fais allusion au calibrage des appareils de traitement, c'est-à-dire les réglages pour avoir le débit nécessaire escompté. Mais aussi, je fais allusion au respect des conditions météo pendant l'utilisation des produits chimiques. Les conditions météo, c'est quoi C'est les temps chauds qu'il faut éviter pendant les traitements, parce que là, vous risquerez de vous suffoquer, de vous intoxiquer très facilement. Mais aussi, il faut éviter les, vents forts. Quand vous vous trouvez devant un vent très fort, il faut même arrêter les traitements. Sinon, au lieu de pulvériser l'insecticide sur la culture, vous allez vous pulvériser vous-même. Au moins de changement de la direction du vent, le produit peut revenir sur vous, sur vous et vous pouvez être intoxiqué. Aussi, la dérive du produit, ça peut, ça peut en tout cas être, euh, les produits peuvent être emportés plus loin, aller en tout cas polluer certaines mares qui sont à côté, certains cours d'eau, certains pâturages où les animaux viennent paître. Ils peuvent être facilement intoxiqués quand les animaux vont brouter la végétation qui s'y trouve. Donc autant de paramètres, en tout cas, euh, qui sont là et que euh, à, chaque moment, quand on a des formations, n'est-ce pas, c'est des thématiques qu'on développe pour permettre, en tout cas, aux opérateurs, aux manipulateurs de se protéger et de protéger l'environnement immédiat. Idéa Kouba, euh, comment vos services contribuent en termes d'encadrement, d'appui conseil aux paysans pour une bonne récolte Pour une bonne récolte, la bonne récolte, vous avez écouter des paramètres qui peuvent précipiter les récoltes. La bonne récolte, c'est quand la spéculation arrive à maturité et qu'il y a des conditions de séchage. Malheureusement, vous avez constaté qu'il y a des, des attaques par-ci par-là. Les gens sont obligés de précipiter. Les, ils n'ont pas de stock et des hangars pour stocker et sécher surtout. Donc, euh, nous, ce qu'on, les conditions, c'est vraiment, même si on, il, récolte dans la précipitation, quand ce n'est pas totalement sec, je pense qu'il serait opportun de les mettre dans des conditions d'arriération maximale pour éviter euh, l'apparition de champignons et de pourritures. Je pense que ça, c'est très important, c'est que ce soit des céréales ou des légumineuses, il serait important si ce n'est pas la pression des ennemis de culture, je pense qu'il faut attendre une maturité maximale. Ide Yakuba, comment faire en cas d'arrêt brusque et précoce des précipitations afin de sauver ce qui peut être sauvé Ce qui peut être sauvé, vous savez, nous sommes dans un pays agro-pastoral. Si on n'arrive pas à, à récolter euh, les graines ou les gousses, on peut récolter et bénéficier ou bien être rémunéré par la paille ou les fans. Je pense que c'est ça que les gens doivent comprendre, que certes notre objectif c'est de produire pour consommer, mais dans le cas où cette situation arrive à être bloquée, donc l'utilisation des résidus de pas de récolte, en tout cas de, de la paille qu'on a pu moissonner, serait conservée et ça peut être vendu pour racheter de quoi manger. Je pense que c'est une vérité qui est là. Par exemple, il y a près de 4% de superficie emblavée à 1000 sorgho qui sont au stade de levée avant cet âge. Je pense que cette situation, en tout cas, si ce n'est pas un miracle, ça serait difficile que ça puisse boucler le cycle normal. Donc ces gens-là sont obligés de récolter la paille, de le préserver et pour pouvoir le mettre au marché. Et Yacouba, quelle alternative pour ces zones déficitaires Bon, les alternatives sont nombreuses. Hein. Il y a des zones où il y a des bas-fonds où ils ont déjà commencé les préparatifs pour la campagne de cultures irriguées. Là où il n'y a pas cette possibilité de deuxième campagne, je pense que ça serait. Ils seront assistés par euh, les services, les ONG, dans le cadre de la récupération des terres, avec euh, soit en cash ou en food for work. Là, ça c'est programmé. Je pense qu'il y a un dispositif national qui est chargé de ça, qui est basé à la primature. Donc, euh, à la fin de la, de la campagne, à la fin de la campagne, en tout cas, les zones là, toutes les zones du pays sont évaluées et on procède à leur euh, classement pour essayer de voir quelle est la zone prioritaire. On priorise les zones et on met des acteurs d'appui financier à aider, soit euh, comme je l'ai dit en cash ou en out for work ou même euh, en filets sociaux pense que le Niger, le gouvernement a déjà entamé ce, euh, cette processus. Abdoubaou Ibrahim, en cas de mauvaise manipulation de ces produits phytosanitaires, qui alerter Quelles sont les voies à suivre euh, En cas de mauvaise manipulation des pesticides, euh, je pense que la personne la mieux indiquée, dans un premier temps, c'est la personne la plus proche. Si c'est un agent d'encadrement qui est à côté, vaut mieux la viser. Peut-être qu'elle a les capacités ou les compétences d'administrer les premiers soins, ce qu'on appelle les premiers secours en cas d'intoxication due à un pesticide. Donc c'est des, enseignements que nous donnons à l'endroit des, des, agents de base et des agents PV. Et après ça, je pense qu'il faut conduire la personne dans un centre de santé le plus proche avec ou euh, l'emballage du produit, si c'est un petit emballage de 1 litre, 4 litres, 5 litres. Et si c'est un, grand emballage, il faut apporter l'étiquette du produit pour que le médecin traitant puisse savoir quelle est la matière active qui a été incriminée dans l'intoxication. Donc euh, voilà euh, en deux mots comment il faut s'y prendre en cas d'intoxication due, due à, un pesticide. Nazirou Touné, quels sont vos conseils, appels ou recommandations aux paysans et décideurs euh, du Niger pour une meilleure fin de campagne agricole 2018 ainsi qu'un meilleur usage de la production rapidement euh, Nos conseils, c'est surtout d'attirer l'attention des, de ces paysans-là, de commencer à travailler avec euh, les informations que nous diffusons, puisqu'il y a certains qui les qualifient de modernes parce que ça fait des belles lurettes que la pratique culturelle est, si je peux le dire ainsi, archaïque. Donc euh, les, informations que nous mettons à leur disposition, c'est pour les aider à prendre euh, des décisions. C'est vraiment crucial quand on te dit que voilà le comportement de la saison. Donc là, tu sauras effectivement quelle variété d'abord choisir et à quand faire le semis puisque nos autorités peinent à nous dire que qu'au Niger, il ne faut pas que la sécheresse soit synonyme de famine ou bien les inondations. Il y a rapidement vos propositions de solutions. Bon, les propositions de solutions. Je ne sais pas à, quel point je dois faire des propositions pour une bonne, une euh, une meilleure fin de, campagne agricole 2018. Bon, une bonne, je pense que c'est lié, je disais tantôt, à la pluviométrie, aux conditions phytosanitaires. Et puis surtout, quand ils reçoivent les prévisions saisonnières, là, et ils doivent cadrer le cycle des spéculations qu'ils sèment avec, euh, en tout cas, le respect de certaines orientations édictées par la, euh, la météo. Maintenant, nous, le conseil que nous donnons, en tout cas que je vais donner au niveau des producteurs, c'est de se dire que la production, c'est une production personnelle. Cette production doit être gérée de manière parcimonieuse. Il ne faut pas que les gens soient tentés parce qu'on a produit un peu plus, vouloir brader ces récoltes-là et attendre l'intervention de l'État pour se nourrir. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est très important que les uns et les autres observent. Il faut, après cette euh, récolte, après la récolte de, la, des productions pluviales, je pense qu'ils doivent s'investir pour entamer la campagne de culture irriguée vos propositions de solutions rapidement, Abdou Ibrahim Bon, les solutions, c'est peut-être parler un peu de, de perspective, parce que à l'heure actuelle, euh, les conditions écologiques sont encore favorables. Donc on pourrait toujours s'attendre à des attaques d'ennemis des cultures, notamment les attaques des sauteriaux qui suivent le mouvement des fit Et avec les sauteriaux, déjà, on peut s'attendre à une troisième génération. Dès que les conditions sont favorables, ces, insectes-là se développent, ils se multiplient et ils donnent une nouvelle génération qui, en tout cas, peut attaquer les cultures. Ça, c'est Vous avez aussi le cas des insectes floricoles. Dès que les conditions continuent à être favorables, ils vont aussi continuer, en tout cas, à se multiplier et, n'est-ce pas, à faire des dégâts sur les cultures. Et j'insère, en tout cas, la chenille mineuse de l'épi, parmi aussi ces, ces, ravageurs que j'ai cités tantôt. Et donc, euh, pour ce faire, la surveillance, en tout cas, et, les traitements des foyers d'infestation, normalement, ils doivent se poursuivre, en tout cas, et s'intensifier. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Ide Yakuba, directeur de la promotion des filières végétales et de la qualité à la direction générale de l'agriculture au ministère de l'agriculture et de l'élevage. Abdoubawa Ibrahim, directeur des interventions phytosanitaires et de la formation à la direction de la protection des végétaux. Et Nazirou Touné de la direction générale de la météorologie nationale. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.